মালের কয়টা ফাল তালাটা পুনেক Wow. Moki Senegal Bienvenue sur votre radio sur ci seen wartan, wi ñu tuddee xew-xew réew mi ñu leen koy defal bu à partir de 20 heures heure de Paris kon Talata 16 novembre 2021 un chroniqueur et serviteur hebdomadaire Ahmadou Diop defal en direct à travers les ondes de votre radio Sunuker FM la première radio panafricaine exceptionnelle de renommée internationale

comme ni pays indépendant yi devons ñu def ko dans l'action matérielle sur des bases voulues sur le terrain xam ngeen ne kenn ko le régime présidentiel dafa am un caractère monarchique ndax niñ ko bindé ak niñ koy est fondamentalement arrogant liberticide et rétrograde par définition day aggraver un peu plus notre descente aux enfers par la seule volonté d'un dieu mu bopam yalla nous bopam la constitution moribonde Déjà, le statut d'immunité au président monarque qui est source d'impunité dans les faits li nga nous ne mënuñu ko ñàkk bañ def di ko tardee la def faire nu ko defut liñ ciy fekk moo l'abrogation de cette écharpe à la démocratie que la Constitution est obligatoire nous devons importer nous imposer sans notre consentement ci devons ndax élaborer ko te à l'unanimité par voie référendaire des Sénégalais et des Sénégalaises, ni penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes au pays de la Teranga. Deniwa, la République du Sénégal et non sénégalaise. Il y a nuance, de am la constitution bi soo bëggee nekk président de la république da nga wax français moo ñu jëngal carte gi di wax la république du Sénégal alors que république sénégalaise la ñu waroon a wax ndax day beaucoup plus de tonalité et de portée politique ndax loolu moo xew ci les 13 autres pays africains sous tutelle coloniale, francophones honteusement. C'est pareil pour les PCE. France de république française la ñuy France waaw français nasaraan ñu taxaw thème ci est ñu nekk waaw di wax li wax ñépp xam ko sur des bases voulues république algérienne qui est la ñu Waye ñun des membres actifs nek ci conscience patriotique pour le changement xam sa existence li waral taxaw bëgg tabaxat suñu Sénégal de sorte que un état régalien de droit séparation des pouvoirs am avec une justice impartiale et non soumise de manière que nous puissions avoir un véritable contre-pouvoir ndax sans la liberté kenn mënut a tabax dara lu jag de solide loolu kat mo fi nekk motax pédagogie la répétition est pédagogique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 de de bousculer les idées reçues te innover yëmut de populariser la démocratie te les conventions surréalistes de l'établissement s'inscrit dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses, exponentiels, salutaires et indispensables pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues, en toute logique, en toute indépendance et en toute conscience. Qu'on le veuille ou non, et n'en déplaise à la pestilentielle apérisée, empestée, notre média est devenu comme jamais un phénomène de société, reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'Omerta, en particulier la gouvernance politique, bancale, indignement ethnique que les médias servent du service public les mêmes patronymes les mêmes patronymes particuliers kenn waxatul seeni à faire? rek lañuy jox ndomboy yu dans toutes les structures de l'État de haut niveau vassalisé jusqu'à la ligne lolu mo la maison présumée de la presse lolu Amti, APS lolu Amti, RTS la radio télévision Racine Tala. Macky Sall journal Le Soleil jant Y'a Mbay transhumant bu mag la waaye day même tous les médias publics et privés dans ñoom ñëpp passent au peigne fin tous allumés et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques soumis aux ordres monopolisés par le pouvoir calamiteux tortionnaire usurier dañuy xam noppi di sëgg ndax amuñu patriotisme encore moins de civisme la radio sunu des innovations multiples tant par la qualité des informations qui sont publiées largement à travers votre site sunuker.com que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises Nous avons notre radio sunu FM l'avant-garde du civisme et du patriotisme Nous avons, en toute humilité te avons une exclusivité de notre site sunuker.com vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations utiles les plus importantes, si diverses et variées, par leur qualité éminemment prouvée, surtout celles qui relèvent incontestablement de la géopolitique, qui contraste parfaitement avec la platitude manifeste de la caste servile en place. Nous fi le bilan de plus en plus chaotique du négationniste ethnique révisionniste dont l'immoralité malodorante sans égal exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN. Évidemment, dit, de la part d'un professionnel menteur en la matière qui ment plus qu'il ne respire. le Sénégal gi du ak ci lendeum kurus bi du guépier infernal auquel nga xamné badolo bi mon ko tek depuis 9 ans nañ ko wagn ëpp na il faut que nunu mën a def danoo war a taxaw tem suñu bëggee suñu réew mi yilif bopam ñu régler le compte du traître en chair et en os et sa bande de fripouilles alignés dagan na radio, sur le cœur FM un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes nous sommes de gros calibre doués et en matière grise s'expriment librement en toute logique en toute connaissance de cause et en toute conscience Ils démontrent magistralement chaque jour que Dieu fait bu leur capacité intellectuelle ndax dañoo des têtes bien pleines que décortiquer de décrypter l'actualité nationale et internationale et qui font part de leur expertise sur les produits toxiques chimiques notamment les faits divers scientifiques sanitaires sociaux religieux et politiques sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politiciens véreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne ndax bus bu sac de la boîte de Pandore à certains citoyens égarés par leur manque de conscience qui se soulagent publiquement et piteusement aux abords des bâtiments Comme son radio Boumagbi, mon la radio la plus populaire qui reste comme jamais l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises aux vérités implacables aux bras d'acier inestables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente sans complaisance, ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal. Nous, sommes au Sénégal nous nga dans le dañ tel la prunelle de nos yeux comme vous le savez sans doute sur l'actualité politique day gën a abondante de plus en plus ndax day gën a marqué wu duñ xam fan la ñuy commencé ak fan la teeral dañuy seet li nga xam ne mënuñu ko ñàkk ba ñu wax ñu wax ko ndax buñ bëggee wax lépp du ci génn kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement au Sénégal xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew ñun li nu tax jóg mooy d'unir, de rassembler autant de patriotes sénégalais autour de nos Pour cela, il faut que nous ñep nous indiquions Pastef nous indiquions une détermination en commun. nous voulons que le patriotisme le civisme ku ne indi ci sa xalaat bu rafet ku ne indi ci ta pierre voulons ñu bolé ko la ténacité et la démocratie participative à l'échelle nationale inclusive Ce nga la volonté politique madame, la clé de voûte nous avons, le Sénégal nous nga notre beau pays que le phare de la démocratie plein développement économique politique militaire financier son soldats nous, ñu de gros moyens ak de de gros moyens matériels ndax ñu mën assurer la sécurité de nos frontières aériennes et terrestres ndax la liberté de circulation des biens et des personnes am fi te loolu du ma tàyyi di ko wax kilifa gi fi nekkoon yal na ko yàlla xare àjjana muy Cheikh Anta Diop le grand savant le kamit panafricain qu'on le veuille ou non xamoon na li doon wax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 il faut que nous réformions impérativement le régime présidentiel moribond, prédateur, calamiteux. Nous remplaçons par le régime parlementaire. Mais leneen Nous nu def day un coup d'épée dans l'eau Sun réew mi ko tabaxat ndax ñu am fi des principes démocratiques et des institutions fortes inviolables respectées par des patriotes sénégalais imbu de la fibre d'honneur suñ fu bëggee am ay une gouvernance irréprochable te loolu dafa créer les conditions obligatoires optimales suñ fu une véritable gouvernance politique économique saine transparente financière attentive et ce sur la base de nos intérêts nationaux, vitaux et légitimes, incessibles de la nation sénégalaise. Pour toutes ces raisons et pour ce faire, il faut que nous tekki sunu bop de véritables sentinelles sénégalaises impartiales, charismatiques, de manière qu'elles soient en mesure de créer une impulsion dynamique, pérenne. Cela étant dit, il faut que nous cultivions le patriotisme, la démocratie, la justice sociale, la justice, l'éthique, l'équité, l'unité nationale en fi sécurité en fi c'est ce lu manque dans la du xew waaye ñun ñi nga xam membre actif ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew danoo debout de rehausser l'étendard de nos valeurs. Pour cela, nous devons nous inspirer et puiser dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur. Yo xamné yu mag lañu ay soufi de gros calibre Nous teud ci suñu nous dekk bi ñu xam xam ci suñu université ci suñu collège ci suñu yi ak ci primaire bu aussi l'homme de la résistance armée notre héros national qui combattit farouchement l'armada coloniale pendant 24 ans et ce malgré la supériorité numérique des envahisseurs a versé son sang et marqué d'une empreinte digitale sa vie a livré des combats acharnés sans merci combat you face à l'armada du colonialisme repoussant. Ngone le héros national du Sénégal, notre héros, qui tomba sur le champ de l'honneur, les armes à la main, à la bataille de Deklep, le jeudi 27 octobre 1886, avec deux de ses enfants majeurs, Kendela Nyabas et N'Yabas, Nyabas bis bobu beaucoup de ces guerriers redoutables ils laissèrent leur vie yalla na yalla yàlla xare àjjana mu ci combat historique bobu resté de marbre ndax dans l'histoire du Sénégal d'emb, en tout cas ci Kajoor n'importe qui ne pouvait pas prétendre le titre de Damel di Kajoor ndax ci jamono joju li ngay wuyo dang koy nuru ndax ci jamono joju so beugé nek Damel di Kajoor il fallait <clears throat> et avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance Tu dois avoir am te un homme de poigne te tremble trembler comme une feuille morte Tu dois avoir subir autant d'épreuves d'endurance Tu dois combattre en même temps sur le terrain des hostilités La Dior la Latyr rek def à l'âge de 15 ans Quel est ci aduna. Waye tey ji ci sunu Sénégal gi des temps modernes kenn sont ko méconnaissable nga xam ne non soi-disant président de la république des ténèbres nga xam ne ki ci jiitu muy sàcckat bii nga xam ne fenn ba jàll ñoom ñépp daanaka dañoo nekk des multimilliardaires par les raccourcis politiques des postes de nomination tànn sa bu la neex nga xam ne finalement dañuy wane ne eh, ñoom se réduisent en roitelet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

so amee ay devoir da nga rom ay droit waye classe Macky Sall gi de yakar nañ ne ay droit rek lañ am waye ñun ñi nga xamné ño nek ci CPC dal bokku nañ ci l'avant-garde des consciences yi nga xamné de bëgg yé nit ñi exclusivement sur la chose publique De là, non ñu def une vaste campagne de sensibilisation massive nga xamné de manière que chaque citoyen sénégalais ak ak sénégalais fu nek ci aduna bi dafa wara am le devoir moral mu armé wu de son bulletin de vote set ki nga xam ne mës biram set na ginaawam set na ñu watil ko librement en toute logique en toute conscience et en toute indépendance set ki nga xam muy défendre par son altruisme exponentiel l'intérêt général su fekkente ne bi ne scrutin amna waaye de le xam nañ Macky Sall 2012 ay carte moo tax mu fait waaye nag fenn ba jàll waaye de mu nekk dafa bew te dafa mi ngi nekk des manœuvres dilatoires nga xam ci la masa nekk ndax njublan la nekk ndax Macky Sall carte fi Macky Sall corruption le gum il est fondamentalement réfractaire à la démocratie comme nous devons utiliser d'autres paramètres distincts des circuits électoraux. nous ci bëggee un changement réel, radical et en action matérielle. La ligne droite est la plus rapide, il ne sert à rien de courir, il faut partir à, à point. nga savez, ne gëwuma Macky Sall gëmul suffrage universaliste ku génn ci pouvoir nous ndax ñëpp gis nañu li def ndax le scénario du film te mooy gagné cette fois-ci bu il faut que nous gagnions sur nos arme conventionnelle pacifique Nous contraindre par la force bon gré mal gré mu neex ko mu nous ko pour trahison li def que Nous ko ndax ça bu de pacotille ak euh, l'issue des scrutins de Pakouti en bande organisée nous ngi dans la cour de voleurs Nous avons fait dañuy gis ne mbir simple formalité administrative la kon Sénégal nous avons échappé vraiment aux contingences mondiales obligatoires Ce fait fait bëgg naa yilif kon radio bu mag des qualités exceptionnelles la qualité est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence yokkute côté fii qui jikko won les véritable qui s'exprime librement en toute logique, en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues et qui compense par leur esprit alerte la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politicarde, plutocrate, multimilliardaire des raccourcis politiques. La sentinelle sénégalaise qui s'exprime librement à travers votre radio sunuker.com nous ñëpp dañoo une logique crédible patriotique nationaliste bien placée qu'elle distille peu à peu dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal gi sur la trajectoire des grandes nations émergentes nga xam ne ku leen tooñ ñu ko yow bam quant elle notre radio sunuker.com historiquement et présentement, elle est par définition la référence exemplaire et à la différence de certaines castes serviles à stable de référence, s'accommode mécaniquement et historiquement par la désinformation et la manipulation, n'agit qu'au doigt et à l'œil du régime capitulaire fantoche, négationniste et de son chef valet, menteur professionnel, profanateur mécréant, franc-maçon, nègre de service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 ndax sentinelle sénégalais yi nga xam ne ñooy wax ci sun rajo bi lépp lu ñu xalaat dañ koy wax ci seen rey bopp ci seeni liberté ndax nekk ñu fi rek di critiquer wala di sànni ay xeer wala di wax lu la neex bés bu yàlla sàkk dañuy proposer des solutions concrètes pérennes tangibles réelles et idoines ndax suñu Sénégal gi jëm ci kanam soit émergent totalement opposé à celui des menteries inflationnistes fascistes comme vous le savez votre fidèle chroniqueur hebdomadaire et votre serviteur chaque semaine inshallah demain tànn le sujet ba par audio de décrypter objectivement nga xam apporter les traitements indispensables et ce sans complaisance d'aucune sorte Nous nu bëggee la dépendance dynamique humiliante mën la pauvreté n'est pas un fatalisme, c'est une question de fibre patriotique, d'abnégation, de volonté politique et d'altruisme. La défense des intérêts d'un peuple est toujours proportionnelle au degré de sa conscience. Le panafricanisme ne peut être en aucun cas source de casus belli. Et pour ce faire, nous avons l'obligation d'opérer une véritable rupture nette, radicale, nous nationaliser toutes nos ressources vitales et tout le secteur clé vitaux en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues si nous voulons assurer notre souveraineté monétaire, économique, financière et la défense nationale. Comme Ahmadou Diop, le coordonnateur de la conscience patriotique pour le changement, évidemment, nous l'avons présenté. C'est une émission à travers les ondes de votre radio Sunuker FM, les médias sénégalais, le symbole par excellence du patriotisme civisme. compétence nañu am crédibilité lañu am taxaw jonn di liggéey sunu nous. sunu ay marchandisam ak ay nitam lepp lu muy def mu def ko ci bopam waye tay di wax sunu Sénégal gi dafa massa nous un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance nga xamné ne fi ak ak chômage endémique la pandémie mondiale le paludisme et les maladies rénales les chertés de la vie de surcroît la répression tout azimut des libertés de la de la de la liberté d'expression pour un oui ou pour un non de la part de la soldatesque chevaleresque du pouvoir totalitaire la conscience patriotique se dresse debout et fier de l'être euh, s'inscrit en porte-à-faux contre ce que nous appelons la démonstration de la force publique exercée à l'encontre des citoyens pour museler la démocratie. Comme vous le savez, la défense, la dépense, euh, la, la dépendance servile politico-financière économique de l'actuel pouvoir apocalyptique, ethnique, ségrégationniste, intégralement intégriste d'apartheid euh, vis-à-vis de l'extérieur nous donne la mesure des incapables qui n'ont point de méthode de travail ndax c'est un pouvoir incurieux sans plus tarder nous nous aborder une chronique hebdomadaire bi du 16 novembre 2021 Nous allons wax ci Macky Sall Nous allons wax de Macky Sall moo est le démon et le tribal et ses manières de caniveau à la Gestapo Je ne ba inventé la semaine dernière comme vous le savez il y a eu le rassemblement de l'opposition et ce à la suite de l'affaire Barthélemy gaz La semaine dernière plusieurs opposants ont été gazifiés arrêtés et mis dans le panier de crabe avant d'être relâchés Voyez, li nga que ne Madame, pouvoir autoritaire madame du foutoir nga autocrate madame, liberticide lay def beaucoup de contradictions d'aucune sorte Nous mo fi nek ndax Nous nga xamné rappeler d'abord les faits Madame, ci décembre 2011, nous y une attaque de la mairie de mermont Sacré-Cœur qui décembre nga y eu lieu et au cours duquel Barthélémy Dias avait tiré par balle réelle dans le groupe malheureusement Ndiaga Djouf a perdu la vie Barthélémy Dias dañ accusé d'avoir tué Ndiaga Djouf parce que dañ eu un casse. Vous voyez, par la suite a eu une liberté provisoire Qui liberté provisoire c'était sous, le magistère chaotique de Macky Sall nga xamné ak le parti socialiste ñoko a doon soutenir Waye fi mu nekk dossier bi dañ ko exhumé. manam dañ ko décalé. waaw Manam la mort dafa melni que la mort de Ndiaga Diouf sert-il d'exutoire pour devenir une sordide affaire politico-judiciaire comme arrière-plan l'affaire dure quand même depuis dix ans alors que la justice avait toute la latitude pour faire son boulot Vous parlez ci ñu ko wala pourquoi traînent les pieds et à quelle fin et à quelques encablures des élections locales comme par hasard le poulain de Khalifa Sall brigue la mairie de la capitale sénégalaise tant convoitée. Y a-t-il donc des dessous politiques de Fimonek, renvoi du procès en appel de les médias, Madame, dans l'affaire Ndiaga Madame, c'est une curiosité pendant ce temps les auteurs du crime de la tempête tropicale en mars dernier circulent librement en toute impunité Voyez, silence radio et silence absolu sur ces cas, il n'y a que des victimes et jamais de coupables désignés pour les punir et les emprisonner. Vous voyez, le poids de deux mesures Maintenant, la politique kumba am à kumba amul finalement le procès en appel de parti Dias a été reporté au 1er décembre 2021 te élection locale sur xanaa kon loolu moo làqatu ci ginnaaw xanaa kon ñoom seetu ñu dëgg ndax justice wërta obéir à un calendrier électoral d'un homme futile soi-disant un président de la république qui s'est autoproclamé vainqueur nga xam ne mu jaarale ko ci par son juge Demba Kandji kon mbir mi buñ ko seetloo ba seetlu ko entourloupe la intimidation la arrestation répression abus de pouvoir arrestation massive arbitraire tout humide pour un oui, pour un non, manipulation et manœuvre dilatoire pour confisquer durablement le suffrage universel, n'est-ce pas ce n'est pas à exclure et pour cause. Maintenant, Birmi, au-delà de l'affaire Jazz, euh, quelque peu politico-judiciaire dans une certaine mesure, peut-on parler de la chronique annoncée d'un coup de force dans la capitale sénégalaise le 23 janvier 2022 à la Mansour Faye à Saint-Louis en 2014. Question vous voulez nous poser un tel remake est il transposable à Dakar, la capitale Birmi, le tribal repenti non repenti dont le désordre va de plus en plus en putréfaction faut-il donc franchir de nouveaux paliers et utiliser les mêmes ressorts afin de renouveler une gigantesque fraude électorale plus massive que celle de 2014, notamment dans la capitale sénégalaise, en, intronisant, par la baguette magique et à bras raccourcis sa marionnette désignée nga qui, 2022 nous assiégé et ce nous def un dispositif sécuritaire policier impressionnant Lolo nan ci nous avons. ndax Nous mesure euh, euh, euh, discriminatoire bi nga a ne la Macky Sall def indi des dispositions disproportionnées hors norme nga ne mi buñ ko le disqualifié hors course en 2024, c'est que celui qui tient Dakar Touba Mbake, Djourbel, Kaolack Saint-Louis et Ziguinchor gagnera à coup sûr la présidentielle à date si loolu la xam ndax la semaine dernière le pertinent juriste c'est Sougou, le lanceur d'alerte, bien informé, et toujours en verbe à démasquer une fois de plus les pratiques usuelles de la caste timbrée, arrimée ou sous la remorque satanique de faux titres élection locale, alerte sur une fraude flagrante et manifeste concernant la liste de la coalition de Benoboko Yakar à la ville de Dakar de Koku, réduisait sa contribution de haute facture et vous verrez la grossièreté de la fraude massive qui donne des vertiges. Birmi, vous du coup. Mengele pouvoir précédent bi fi l'école, que n'aurait-on pas dit en juin 2011 si la police de l'époque avait déchargé avait chargé de grenades lacrymogènes le couple maudit euh, euh, Macky Sall et Moussa Fagnas, nga xam ne mi une pierre à la main. Que n'aurait-on pas dit si la justice de l'époque disqualifiait les deux personnages curieux à la course présidentielle de 2012, Mouy Macky Sall et Moussa Fagnas. Et pourtant, si Abdoulaye Wade, Boundiaor de Grec, l'avait voulu, aurait pu réduire définitivement au silence et en charpie les kleptocrates déclarés et non éclairés. Comme par hasard, au moment où il se trouvait à Paris, comme toujours, il y a trois ans, et, à quelques encablures de la parodie présidentielle qui 2019, ces députés et non des députés de voter le projet de loi scélérate sur les parrainages. ndax comme d'habitude avait pris la poudre d'escampette Comme Macky Sall un géant virtuel au pied d'argile un maquilleur un maquilleur digne de son nom n'est jamais un homme d'honneur et ne le sera jamais durant son existence. Madame, la police faisait rage, faisait usage de grenades lacrymogènes à l'encontre de l'opposition euh, qui, nga Macky Sall Paris les parrainages Idrissa qui est aujourd'hui tombé entre les mains de son ex-ennemi juré nga m'a remplacé au poste de président du conseil économique social et environnemental nga c'est aussi pareil lors de la tempête tropicale qui a bien failli l'emporter dans les poubelles Madame, la semaine dernière le peureux déclaré Mouy makissal personne ne pourra l'intimider mon quand quand fait il fait donc au cumul des mandats non seulement en sus des emplois familiaux décriés et indécents il ne sait pas appliquer lui-même la même mesure tant promise. Il est toujours le secrétaire général de son parti politique, cliniquement clanique, jusqu'à l'abîme. Puis encore, son escarcelle partage la même molécule avariée, cumule des fonctions multiples. Tololo Racintala Mansourfay, pour ne citer que cela. Voyez, pour le monstre caractériel, Promettre, c'est mentir tranquillement et sans vergogne sur toute la ligne et de fond en comble. Quand on est petit, on agit petit, n'est-ce pas Lol mon fi kon li face à la galaxie altérée de Benno la décharge toxique à ciel ouvert soumise aux ordres du bourreau il est temps que la peur change de camp pour que le sursaut national et les réflexes patriotiques doivent servir de déclic, de catalyseur et d'électrochoc salutaire. Et pour ce faire, le, devoir moral nous recommande à mettre fin à la tyrannie d'un régime illégitime, crapuleux, criminel, incurieux et, dont l'impunité n'a que trop duré. Ndakhtilolo, à ce prisme-là, et face aux répressions récurrentes, brutales et permanentes, l'appel à la réaction s'impose. De l'autre, il faut que un impératif absolu boo Monek, la seule option possible qui vaille nous avons tout vu et vécu conjurons le diable tribal et ses turiféraires empestés pour les mettre hors d'état de nuit. ne jamais reporter ce qui est possible maintenant soyons tous unis et debout contre le mal si nous voulons être inscrits dans la mémoire mondiale maintenant le clanique le gourou le gourou de la malgouvernance et ses lubies farfelues où la croix de transmission de dérives confiscatoires fascistes à la Gestapo est digne de son espèce, mais à exécution sa lâcheté pour croire réduit et par le raccourci son opposition à sa plus simple expression et ce par sa police interposée. solennellement nous déclarons nul et non avenu l'idée surréelle euh, sur, selon laquelle l'État a la légitimité et le monopole des violences Tout à un non sens sans sans le pouvoir du peuple qui est criblé d'impôts et de taxes de toutes sortes il n'y a pas d'État Vous voyez, moo est. n'est ni une institution ni un président légitime C'est octroyer lui-même sa posture taillée sur sur mesure par sa euh, euh, par l'esclandre du juge politique euh, qui est juge et parti Mouy d'Embakandi, Kandji nga xam ne assis dans le meeting du fabricateur des fake news te loolu gis nañu li nga xam ne Macky Sall gën koo jox ndombay ci la la légitimité de Macky Sall ne repose que sur une ligne de voilà Madame, qui nga xamné ne ni muy manam est donc le bon signe d'une triste fin de règne qui s'annonce à petit feu et au fur et à mesure que nous nous approchons de la victoire finale au lieu de s'élever le tortionnaire irascible dans son ADN va droit au mur mais ne le sait pas s'inscrit lamentablement dans les décombres de l'histoire et dans la poubelle de l'oubli s'abaisse davantage par ses coups tordus dont le mot que l'on puisse dire reste comme jamais sa marque de fabrique tous les dictateurs sont dépressifs par définition se croient infaillibles surhumains immortels et invincibles s'accordent tous et s'accrochent mordicus au pouvoir tels des huîtres sur le rocher ne voient rien venir selon leur étroitesse d'esprit ils se peignent tous en saints et un sauveur exceptionnel. Que rien ne leur arrive, que c'est toujours la faute des autres, que les excès des ailes n'existent pas chez eux, que le pouvoir est une mission divine, civilisatrice, salvatrice, qui se déclare plus, plus croyant que les autres et qu'ils ont le sens de la vie plus que le reste et qu'ils sont les plus intelligents, ne se trompent jamais. Ils sont juste et source de lumière. Ils estiment que Dieu les a choisis exclusivement pour gouverner leur pays respectif tout le temps, comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Au crépuscule de leur vie, leur progéniture les, leur succéderont comme un legs divin. Car le tyran encombrant est un admirateur de la dynastie des Bongo et compagnie, et pour laquelle il a une faiblesse notoire, veut les égaler par le truchement de la France-Afrique que cette hydre mafieuse. Pour préparer l'opinion publique à cette idée loufoque, ils mettent la presse corrompue de Sarabane à contribution et à coût de millions de francs CFA. Comme si c'est normal. Donc, c'est le cas à Sall, dont le moins que l'on puisse dire est reçu officiellement et régulièrement par les monarchies arabes euh, héréditaires, qu'ils ont droit de vie et de mort sur le sujet supposé, qu'ils n'ont de compte à rendre à personne eu égard à leur puissance éternelle devant l'éternel qui se font euh, d'eux-mêmes. Quoi que l'on puisse dire, l'opposition dans son ensemble est une émanation du corpus du peuple sénégalais. La, République des prédateurs traite son opposition mécanique d'ignare qui s'oppose à tout. Voyez, en vérité, il s'agit bien du fascisme d'une bande d'incultes qui ignore la notion d'un État régalien. Point barre. Lol, mon fini. Kon maa ngi rendez-vous talaata prochain ci sunu émission émissions ñu Today » xew ñu à travers les ondes de votre radio sunu la première radio panafricaine exceptionnelle de renommée internationale qui émet depuis la Californie ci Los Angeles et merci. sunu kër FM seeni thank the Lord, take the